tous dans cette émission de la mi-journée. Il est 11h à Niamey, ce qui annonce l'heure de Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Samira Wafi et Ali Moukela Ouseni alias Seno. Ce matin, la technique est assurée par Seni Isaka et à l'édition Notre-Dame de Fer à Damadawaki. Bonjour Seno, tu vas bien Je vais bien Samira et toi Oui, ça va, Dieu merci. Super, alors c'est parti pour euh, une heure de programme bien garni, n'est-ce pas Samira Et oui Seno, on aura le Flash Info avec Nafisa Adamou Ensuite, nous aurons nos différentes rubriques tels que le loti, la rubrique hebdo qui parle environnement, un reportage région qui nous amène à Maradi, sans oublier notre playlist à 100% musique nigérienne, le portrait et la page sport. oui, aujourd'hui, notre invité du jour euh, nous vient de l'Agence euh, nigérienne de normalisation de métrologie et de certification ANMC. Il s'agit bien de Asokba Abdulkader Moïse, chef du département normalisation et promotion de l'infrastructure qualité. Avec lui, nous allons en savoir plus sur les missions assignées à cette agence. Bien évidemment, on écoutera Alassane Abdou Anzarma pour la culture linguistique et vos messages, chers auditeurs. et eh bien, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Le flash d'information présenté par euh, Nefissa Adamou Sirfo, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Samira. Bonjour Nefissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un détachement des forces de défense et de sécurité a fait l'objet d'une attaque de groupe armé hier mardi 25 juin à Tassia sur Bonjo dans le département de Terra, région de Tilabiri. Selon le ministère de la Défense nationale, 20 soldats et un civil ont été tués, 9 autres blessés, 2 véhicules ont été endommagés et des dizaines d'assaillants neutralisés. Suite à cette tragédie, le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce mercredi 26 juin 2024. Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, arrivés à Niamey lundi, se sont entretenus hier avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. Selon l'agence nigérienne de presse, les discussions entre le chef de l'État nigérien et les deux anciens présidents béninois ont porté essentiellement sur la situation qui prévaut actuellement entre les deux pays relativement aux différends qui les opposent au sujet du chargement du bateau devant transporter le pétrole brut du Niger vers le marché international. Enfin, dans une circulaire du 25 juin, la ministre de l'Éducation nationale, Dr. Elisabeth Chérif, a demandé aux directeurs régionaux de l'éducation de prendre des mesures pour conserver les matières des anciennes classes payotes. Les proportions des classes payotes dans nos établissements limitent la capacité de l'offre éducative et provoquent l'érosion du temps scolaire à la rentrée comme en fin d'année scolaire, a indiqué la ministre. Ainsi, ces matériaux serviront à reconstruire ces classes temporaires pour la prochaine rentrée scolaire, a-t-elle ajouté. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafissa pour toutes ces informations. Passe une belle journée. Je vous souhaite pareil. Voilà, chers auditeurs, on annoncé un titre. Notre invité du jour est Assokba Abdelkader Moïse, chef de département normalisation et euh, suivi infrastructure qualité. Avec lui, nous allons en savoir plus sur ses missions assignées à la NMC. Bonjour, monsieur Assokba. Bonjour, madame. Mais avant de vous donner la parole, je propose qu'on fasse un petit tour en musique, n'est-ce pas, Sinon, tu nous proposes quoi eh bien, euh, je vous propose, euh, ou disons, je propose à l'ensemble de nos auditeurs euh, le morceau Mi manda de l'artiste Yoni Mamoud, une façon de leur permettre de bien s'installer. C'est parti. mana murugu chimbi manda ehija kana say way mana murugu chimbi manda window kana say way mana murugu chimbi manda ninkanna tari turuga talam ninna hawi sammugate bongum ninna burchin tarai tolme ninna miman sammugate goy you say got me manda hawega fans du rec Pose sur la scène, mes gosses seront en geste Je contrôle la musique comme un chef d'orchestre Toi-même tu sais, je m'en fous je m'en fous de torpilleur, je m'en fous de magouilleur, je m'en fous de saboteur. Et oui, cher auditeur, ce titre Mimanda qui signifie calomnie en langue zarma se distingue par son engagement à sa profondeur émotionnelle. Dans ce morceau, Yoni Mahmoud aborde un thème universel, mais particulièrement poignant la calomnie et les ravages qu'elle peut provoquer dans la vie des individus. Il critique vivement ceux qui, par plaisir ou par malveillance, se mêlent des affaires des autres pour propager hein, des mensonges ou des rumeurs malveillantes. Ceci, ce titre plutôt nous est un exemple éclatant de la capacité de la musique à provoquer une prise de conscience et à agir comme un vecteur de changement social, rappelant à chacun l'importance de la parole et l'impact de nos actions sur les autres. Say God. Voilà, à l'instant, c'était bien le titre euh, mi-mandat de l'artiste Yoni Mamoudou. J'espère que vous avez kiffé, cher auditeur. C'est le moment de revenir vers notre invité du jour. Il s'agit de M. Assokba Abdulkader, chef du département normalisation et de promotion infrastructure euh, qualité à l'ANMC. Alors, M. Abdulkader, bonjour. Bonjour, Monsieur nous. Alors, parlez-nous euh, de l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification et de ses missions. Euh, merci bien. Donc, euh, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous offrez aujourd'hui à l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification de s'adresser au public à travers votre antenne. Donc, la première des choses que je vais dire relativement à l'ANMC, euh, on doit retenir que, euh, à travers même euh, les sigles de l'ANMC, donc c'est une agence étatique qui a en charge de vérifier la conformité des produits importés aux locaux. Et elle a en charge de coordonner l'élaboration des normes nigériennes. Et elle a en charge aussi, sous son troisième volet, de d'assurer les activités de métrologie. Les activités de métrologie ici, il faut faire la nuance avec la météo parce que la métrologie, c'est la science des instruments euh, de mesure, donc la vérification des instruments de mesure. Voilà, donc, euh, et de l'autre côté, en, météo, c'est ce qui est en lien avec euh, les prévisions climat climatologiques. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire de premier abord. Et en second, euh, il faut retenir que le Niger a commencé l'activité de normalisation depuis 2002, parce qu'il y a eu la loi 2002, de décembre 2002, qui institue la normalisation, la, l'accréditation et la certification. Donc cette loi-là, elle a déjà mis en, place euh, la base du démarrage des activités de normalisation et de métrologie. Et ça a démarré en 2002. Après 2002, les activités ont continué jusqu'en 2010 où l'État a décidé de créer une seconde, euh, une première agence du moins, qui est la VCN, qui était spécifiquement chargée d'évaluer la conformité des produits importés et locaux. Voilà. Mais euh, chemin faisant, pour question d'harmonisation au niveau euh, régional, ok, il y a lieu de créer une structure en charge spécifiquement des activités de métrologie. Et c'est ce qui a abouti en 2019 de la, de la jonction de l'AVCN et de la direction de la normalisation pour créer la NMC. donc en 2019, l'État a créé la NMC euh, avec pour mission, euh, comme je l'ai dit initialement, d'assurer l'activité de euh, normalisation, de métrologie et de certification. Alors, Monsieur Assogba, vous êtes euh, le chef du département de normalisation et promotion infrastructure qualité à l'ANMC. Dites-moi, comment assurez-vous la conformité des produits, des processus avec les normes établies au sein du département que vous gérez En fait, au niveau de l'Agence nigérienne de normalisation de météorologie et de certification à l'ANMC, euh, nous assurons un travail de service public quand les consommateurs viennent ou quand les opérateurs économiques, surtout les transformateurs, quand ils viennent, ils ont besoin d'assurer la conformité des produits qu'ils ont fabriqués avant de les mettre sur le marché. En ce moment, on intervient. ok nous avons, nous, nous élaborons au niveau de l'agence euh, des règlements particuliers qui sont liés aux produits, des règlements qui utilisent les normes, parce que la norme elle dit spécifiquement comment le produit doit se comporter. Donc, en fonction de la norme et des euh, de tout ce qui est règlement euh, technique qui existe, on l'utilise pour élaborer euh, un cahier de charge spécifique pour certifier, qui permet de certifier la conformité du produit. Donc, ce cahier de charges-là est appliqué par des différents processus. Les, processus, on va les, les détailler un peu plus. Donc, ces processus-là, à travers ces processus-là, maintenant, on fait des audits, on fait des, des, euh, des prélèvements, on fait des analyses. Maintenant, suite aux résultats des analyses et des audits, on met en place un comité spécifique de, certification qui détermine si le produit est conforme ou pas par rapport au cahier de charge. Parce que le cahier de charge, c'est le règlement particulier du produit. Donc, si il est conforme, le produit, il a le droit d'usage du logo de la marque nigérienne de conformité parce qu'il faut attirer l'attention des consommateurs qu'il y a une marque nigérienne de conformité qui circule, qui atteste qu'un produit est un produit est conforme à la à la norme et à la technique en vigueur. Hmm. Voilà un peu. Et maintenant, quand un produit n'est pas conforme, qu'est-ce qui se passe Nous, euh, au niveau de l'agence, on, on notifie aux détenteurs de produits les non-conformités liées au produit et dans un délai bien précis, les non-conformités sont corrigées. Une fois que les corrections sont réalisées, maintenant, euh, le demandeur a le droit d'usage du logo de la marque nigérienne de conformité. Voici un peu euh, comment, de façon succincte, euh, comment ça fonctionne au niveau de l'agence. Quand vous demandez à être évalué par rapport vous à être évalué par rapport à une norme euh, bien particulière. D'accord. Alors, euh, pouvez-vous euh, expliquer à nos auditeurs comment vous documentez et suivez les problèmes de qualité identifiés lors de vos inspections Ok. Quand on. Merci bien. Quand on fait une inspection, d'abord, la première chose à savoir, l'inspection est réglementée par des textes. Parce qu'il y a des décrets, ok, qui organisent les activités d'inspection et d'évaluation de conformité des produits la République du Niger. Et il y a un autre décret qui établit comment est-ce que l'activité de métrologie se fait. Parce que dans l'activité de métrologie, il y a l'évaluation des euh, préemballés qui se fait. On va voir un peu plus en détail comment c'est euh, l'activité des préemballés. Donc, en fonction de ces textes-là, ok, euh, qu'est-ce qui se passe on, on, on, inspecte un produit, on évalue un produit, et si le produit n'est pas conforme, on applique les textes. Euh, les textes, quand on les applique directement au niveau de, de l'agence, ok, c'est quand vous êtes non conforme, quand vos produits ne sont pas conformes en cas d'inspection, ok, il y a des sanctions administratives. Les sanctions administratives, ah, ils vont de, du retrait euh, de l'autorisation. Non, pas pour la certification. Quand on fait une évaluation, parce que quand on parle d'inspection ici, elle est différente. L'inspection, elle est différente de la certification. Voilà, donc euh, en, termes d'inspection, les sanctions, c'est euh, du retrait de l'autorisation euh, d'exercice, ok, ou des avertissements qui sont donnés sur qui sont donnés aux détenteurs du, produit. Voilà, mais c'est ça, ça, c'est en fonction de la gravité. Voilà, parce qu'il y a des gravités qui vont aller jusqu'à ce que y ait une note, ok, au niveau du procureur de la République pour que des dispositions soient prises relativement aux détenteurs du produit. Voilà un peu comment euh, ça fonctionne. Alors, euh, et si maintenant en cas de certification, euh, un produit a été certifié, il est conforme et tout, est-ce qu'il y a des risques que cette certification soit retirée Quand vous faites une demande de certification et que le processus est conduit normalement, à la fin, si vous obtenez votre certificat de conformité, votre produit, ok, a moins de tracasseries sur le marché. Maintenant, en cas d'acquisition, d'obtention du certificat de conformité, et que au cours de nos, de nos inspections, au cours de nos audits de suivi, on se rend compte qu'il y a des manquements vis-à-vis du règlement particulier, en ce moment, on vous retire le droit d'usage du logo de la marque nigérienne de conformité. Parce que le logo, vous n'êtes pas le seul à utiliser le logo. Donc, on a l'obligation de garantir la conformité des produits qui sont en circulation, qui disposent le logo euh, de la marque. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc c'est le retrait, d'abord l'avertissement, le retrait, et si c'est des gars, si c'est des cas graves, parce que souvent, si c'est un cas qui, euh, qui est grave, qui met en danger le consommateur, en ce moment, ok, euh, l'inspection, elle tourne entre guillemets à la vinaigrette. Voilà, donc, et en ce moment, il y a les sanctions qui tombent. Mmh. Voilà, vous pouvez avoir le logo de la marque, ok, mais si votre produit, en termes de suivi, on se rend compte qu'il met le consommateur en danger, ça veut dire que là, il faut retirer carrément euh, le produit du marché. Voilà, voilà un peu comment ça fonctionne. Et il y a les sanctions qui peuvent suivre relativement, qui sont relatives à la gravité de l'acte qui, a été constaté. Voilà. Super, euh, euh, nous avons compris pour cette première partie, M. Assogba c'est vous qui êtes en charge de certifier les produits locaux et même les produits étrangers qui nous arrivent ici au Niger, euh, c'est-à-dire sur place. Et quand on fait euh, euh, une, inspection lors de, vos inspections, si le produit n'est plus conforme, on peut empêcher le service de se vendre ou bien le produit. Surtout, on peut aussi perdre la certification d'un produit si on, remarque qu'il y a également un manquement. Voilà, chers auditeurs, vous avez bien compris. Avant de continuer nos échanges avec M. Assorba, je vous propose de faire une pause en musique, cette fois-ci avec le le titre Mogunchiyo de l'artiste Nana Aloko. On écoute. ‘Yan Nijar kun ban kunya, gana ku naku, kun ɗauki na wani kun goya, yau zan ce zan fara, ai na san za ku ji ciwo, Ai ni kan bani da tsoro, gaskiya ce za ni faɗe ta, ‘yan Nijar ba da kishi. nasu shine namu ba yanzu ne aka fara ai wannan cikin jini ne dan nijar bai son nashi ai wannan tun asali ne kadibi sauran kasashen mawakan duk sun tashi kasar mu za su yi wasa su tara kuɗin mu su kwashe dan nijar sai yayi wasa garin ma sai ya dage mawaƙan Nijar tashi bakin ciki kar ya kashe ku sun je sun dau da bino sun bar mu da shan mimido 'yan Nijar kun ban kunya gana ku ƙale naku kun ɗauki na wani kun goya yau zan ce zan fara ai na san za ku ji ciwo Dan Nijar mugun icce suna na ƙaunar malam Et Eh bien, dans ce son, un mot Gunchuo qui signifie euh, intense douleur en langue Hausa, Nana Loko fait une transition audacieuse euh, du Dandali Soyeya au rap pour exprimer une critique sociale <clears throat> poignante, excusez-moi. Elle aborde la préférence des Nigériens pour euh, les produits et la musique importée au détriment des créations locales. La chanson euh, déplore cette situation, soulignant la douleur ressentie par les artistes locaux face à cette négligence. En utilisant le rap, Nana Loco adopte un ton plus direct et plus percutant pour sensibiliser et encourager ses compatriotes à valoriser la culture nigérienne. Ce changement musical renforce son message et lui permet de toucher un public plus large et diversifié. Voilà, c'était là le titre Mugunchiwo de l'artiste Nana Aloko. De retour au studio après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, nous continuons donc avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Asokba Abdelkader. Je rappelle qu'il est le chef du département normalisation et de la promotion infrastructure qualité de l'ANMC. Alors, euh, <clears throat> Monsieur Abdelkader, vous êtes euh, le correspondant de l'ISO, <clears throat> Organisation internationale de normalisation, euh, s'appliquant aux produits et aux services. Comment se fait cette collaboration euh, Merci bien, Monsieur Seno. Donc, euh, l'ANMC est membre correspondant de l'ISO. Donc, euh, être membre correspondant de l'ISO, ça dépend de votre niveau de cotisation au niveau de l'ISO. Parce que l'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation qui élabore spécifiquement des normes euh, sur les produits et services. Voilà, donc, euh, mais ISO fait une nuance, ISO ne certifie jamais. Parce que souvent, vous trouvez, je voulais juste profiter pour le dire, vous trouvez sur euh, du matériel euh, certifié ISO et on ne dit pas par qui. Hmm. Là, le consommateur doit faire attention. ISO ne certifie pas. Il y a toujours un organisme qui certifie. C'est comme ici au Niger, l'ANMC. L'ANMC certifie les produits. Donc, sur tous les produits certifiés par l'ANMC, vous allez voir. Produits certifiés par l'ANMC, OK et on met la norme de certification. Voici un peu la parenthèse que j'ai ouverte. Donc, nous sommes membres correspondants de ISO et à ce titre-là, euh, on participe aux travaux euh, d'élaboration des normes euh, de ISO. Et en même temps, on vend les normes ISO ça veut dire que acheter une norme ISO au niveau de l'ANMC vous revient moins cher que de l'acheter directement au niveau de ISO. Hmm. même si vous l'achetez au niveau de ISO, en sachant votre position, donc ISO nous contacte pour vous rediriger vers euh, l'ANMC pour que vous puissiez acheter la norme directement au niveau de euh, l'ANMC. Et euh, à part euh, ça, on participe aussi parce que ISO, on a des appuis en termes de formation, on, on a des appuis en termes d'utilisation de la documentation ISO pour enrichir notre documentation euh, nationale et pouvoir faire évoluer l'activité de normalisation au niveau national. Parce qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on n'a pas de nom et on utilise les normes ISO pour pouvoir faire des adaptations ou bien faire euh, des adoptions directes sur de ces normes-là. On a euh, le droit, ils nous accordent le droit de le faire et on profite euh, pour le faire. Voilà. Mais pour certains normes, comme les normes sur le kilichi par exemple, ou, les normes sur le tchoukou, ok, qui sont des produits locaux, et là, c'est notre expertise nationale qui nous, permet de, qui nous a permis de les développer et elles sont disponibles. Voilà, donc, euh, la liste de ces normes-là sont aussi, euh, peuvent être consultées sur notre site web. On a le site euh, anmc.ne, donc www.anmc.ne, et on peut consulter la liste des normes nigériennes disponibles. Voilà. Alors, M. Sogba, comment mesurez-vous l'efficacité des initiatives d'amélioration continue que vous mettez en place Ok, en termes de promotion de l'infrastructure qualité, ok, des sensibilisations ont été réalisées avant même la création de l'ANMC. Donc nous, on s'inscrit dans la continuité. Des activités ont été euh, réalisées et ces activités-là ont permis de changer un peu euh, la vision euh, du consommateur, la vision surtout de l'administration euh, publique vis-à-vis euh, de l'infrastructure qualité. Euh, les gens, ils sont de plus en plus exigeants. Quand vous prenez par exemple les femmes transformatrices dont je crois que j'ai l'obligation de parler d'elles parce qu'elles fournissent énormément d'efforts pour faire certifier leurs produits. Elles achètent les normes ok, et elles, vraiment elles insistent pour appliquer ces normes-là pour pouvoir euh, mettre à la disposition de nos consommateurs des produits conformes. Voici un peu. Et là, ça a évolué. Parce que moi, je suis rentré dans l'activité de normalisation depuis, euh, depuis 2003. Et là, j'ai une idée de cette évolution. Initialement, quand vous parlez même aux gens de la norme ISO 9001, les gens ils se posent des questions pourquoi mettre la, 9001 en place. Et là, euh, on a dépassé ce niveau. On a dépassé ce niveau. La plupart de nos industriels connaissent d'abord les normes ils connaissent d'abord les normes, l'importance d'appliquer les normes. Et maintenant, ce qui manque, euh, je crois que c'est euh, l'appui en termes de, euh, de soutien. Parce que souvent, vous voulez appliquer la norme, mais les laboratoires qui doivent vous permettre de d'analyser vos produits et de faire la comparaison, elles ne sont pas sur place. Il faut aller, il faut exporter euh, les produits pour pouvoir les faire analyser, les faire analyser et revenir et vérifier la conformité des produits. C'est un peu ça. Donc, au côté du laboratoire, c'est ça qui doit suivre. Hmm. Voilà, ça doit suivre. Euh, je me rappelle très bien au moment où les gens pensaient que l'accréditation était euh, difficile. Les gens, nous, nous en, en tant qu'administration publique, on s'était lancé dans l'accréditation. La première accréditation qui a été obtenue, ok, on l'a obtenue en 2017 Ok, sur la norme ISO 17065, c'est sur c'est la norme euh, qui montre que vous êtes une structure d'évaluation de conformité reconnue internationalement. Et la première accréditation, on l'a obtenue avec euh, un organisme italien qu'on appelle Accredia, qui était venu ici, il nous a accrédité. Et le produit qu'on a choisi pour porter en accréditation, c'est le Kilichi. Donc, pour montrer aux gens que vraiment, la question d'accréditation, même au niveau des laboratoires, c'est une question de volonté. Il faut vraiment mettre la volonté, de ne pas hésiter, il faut partir. Et mieux, euh, on a renouvelé cette accréditation-là avec euh, le SWAC, qui est le système ouest-africain d'accréditation. ok et là, au niveau de l'ANMC, on, on, le met sur tous nos, affiches. Hein, nous sommes accrédités ISO 17065. Voilà, et euh, on estime que ce n'est vraiment pas grand chose à faire, mais il faut juste se concentrer et partir sur l'essentiel et se faire accréditer. Alors, M. Abdelkader, si euh, les règlements ou vos directives ne sont pas euh, respectés, quelles seront euh, les conséquences pour celui qui a suivi l'inspection de l'ANMC En fait, quand vous avez le droit d'usage du logo de la marque d'hygiène de conformité, ou bien vous transformez vos produits, ok, maintenant on constate au cours d'une inspection qu'il y a un manquement sur, euh, euh, sur vos produits ou bien sur votre chaîne de production. Ok, Il y a des textes, tout à l'heure je disais, il y a un décret. Euh, il y a un décret, le décret 2019 089 sur l'alimentation métrologique. Et on a aussi un décret, le décret 2018 88 du 18 décembre 2018, déterminant les infrastructures, les infractions sanctions en matière de métrologie. Et on a le décret 2020 et 480 840 du moins du 13 novembre 2020 fixant les conditions et modalités d'inspection et de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques en République du Gère. Tous ces textes-là ok nous permettent d'agir et de sanctionner ok toutes les infractions constatées vis-à-vis des produits importés et locaux. Voilà, donc, euh, et là, j'ai parlé explicitement du règlement sur euh, la métrologie pour faire le lien relativement au emballé. Vous trouvez par exemple sur le marché des produits des sacs de ciment, des sacs de, euh, de sacs de mille, de sacs de riz. Ok, on va vous écrire 50 kilos. et que au fait, ça ne fait pas 50 kilos. Donc, euh, l'activité de, euh, en métrologie, on fait le contrôle des préemballés. Et quand on fait le contrôle de, ces, de ces préemballés, on se rend compte qu'il y a des écarts. Et quand il y a des écarts, on sanctionne. Voilà, les sanctions sont prévues. Il y a des sanctions administratives, ok, et il y a des sanctions où il faut directement écrire au procureur pour que ça soit euh, pénal. Voilà, voici un peu en ce qui concerne ce secteur. Quand vous, prenez par, quand vous prêtez par exemple au niveau des stations d'essence, OK il suffit juste de vérifier sur la, sur, à côté du, de l'afficheur, vous allez voir des étiquettes. Vous avez soit une étiquette verte, une étiquette orange ou une étiquette rouge. Voilà. Donc euh, la meilleure, c'est l'étiquette verte qui dit que le produit que la pompe, elle donne exactement le volume euh, euh, demandé. Mais faites attention, quand vous regardez l'étiquette, vérifiez l'année et le mois de l'étiquette. Parce qu'elle peut être verte, mais de 2013 ou de 2023. Mais là, vous cherchez l'étiquette 2024 et que ça soit du moins en cours. Parce que, voilà, on fait ces évaluations-là au moins deux fois par an pour nous assurer que euh, les stations, les, les, pompes des stations d'essence ok donnent le bon volume. Voilà, ça c'est de façon régulière, on fait ça deux fois par an. Et il y a des inspections, parce qu'on peut euh, faire euh, la vérification normale aujourd'hui et demain, on peut venir faire une inspection sur une ou deux pompes pour nous assurer que, en fait, euh, après notre passage, il n'y a pas eu de soucis sur les plombs qui ont été installés au niveau des pompes. Voici un peu comment ça se passe. Voilà, on aurait continué à vous écouter parce que c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. Mais une dernière question avant de vous laisser. Comment faire si moi, en tant que citoyenne et consommatrice d'un produit, j'ai besoin de l'ANMC quand j'ai des doutes Ok. Quand vous avez des doutes, la première des choses euh, que vous devrez faire, c'est de venir au niveau de l'ANMC, demander la norme sur le produit. Parce que les normes, ce elles ne sont pas spécifiquement dédiées aux transformateurs. Non. Un consommateur peut demander une norme, par exemple, sur euh, euh, les pointures des chaussures, une norme sur du yaourt, une norme sur, comment on appelle ça, sur la qualité d'un pain, sur euh, comment on appelle ça, euh, une montre sur euh, un téléphone portable, ok, les bouts de charge, ok. dans tous les domaines de la vie d'aujourd'hui et demain, vous pouvez demander des normes. Et ces normes-là existent. Et elles vous permettent d'avoir une référence. Parce que la norme, elle permet au consommateur d'avoir un choix. Parce que quand vous connaissez la norme, vous pouvez faire le choix sur les produits. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas la norme, vous ne pouvez pas choisir, vous pouvez pas faire des choix sur des produits. Pour vous, l'essentiel, le produit est là, vous le prenez. Mais si vous connaissez déjà la norme sur le produit, ça vous permet de faire le choix. Voilà un peu. Donc, euh, adressez-vous à nous. Nous sommes au village de la Francophonie, juste euh, collé au commissariat. Donc, euh, on a notre site web que j'ai déjà annoncé, le www.nmc.ne. Et vous pouvez le faire et à tout moment, vous pouvez avoir le nom lié à toute activité de la vie courante. Merci. Voilà, merci, beaucoup, M. Assokba Abdelkader, d'avoir répondu présent à cette invitation au nom de l'ANMC. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, dans la rubrique hebdomadaire, nous parlons de l'importance de la biodiversité dans le domaine de la santé. Selon les spécialistes de l'environnement, la diversité biologique joue un rôle essentiel dans la santé, aussi bien dans la médecine traditionnelle que moderne. Seulement, l'épuisement continu de cette euh, diversité d'espèces euh, pourrait affecter la santé humaine, d'où l'intérêt de protéger nos écosystèmes et les espèces qui y vivent. Bokar Atari, environnementaliste, explique au micro de Asumana China. Au point de vue médecine traditionnelle, quand vous prenez les médicaments, ils sont constitués des parties de feuilles d'arbres, des racines d'arbres, des troncs d'arbres, des mélanges parfois de plusieurs deux ou trois euh, espèces. Pour certaines maladies, on mélange à peu près plusieurs parties de au moins cinq espèces, et même plus d'ailleurs. Si on, on, dit pour traiter une maladie, il faut trois ou quatre espèces, ça veut dire que là aussi, il est évident qu'il faut avoir toutes les variétés de plantes. Et chaque plante à la maladie qu'elle guérit, ou bien une combinaison de plantes à la maladie qu'elle guérit aussi. Donc ça veut dire qu'on voit la diversité des espaces influence les traitements que nous faisons au point de vue traditionnel. C'est pas seulement les plantes, hein. Il y a aussi les parties d'animaux qui sont utilisées. Si on prend par exemple le venin des serpents, si vous prenez par exemple dans la zone nord, les éleveurs là, si ce n'est pas récemment qu'on les a amenés à faire les vaccinations, mais ils traitent leurs animaux de manière traditionnelle et ça marche. Et tout ça là, c'est des espèces qu'ils utilisent, que ce soit des espèces animales, des espèces végétales, etc. Et d'ailleurs, pour certaines euh, morsures de serpent, il y a certaines plantes qu'on dit que tu prends, le venin là, il disparaît. Ou même le venin est utilisé pour traiter certaines maladies. Il n'y a aucune espèce qui est inutile. Tout est utile. Peut-être on ne sait pas l'utilité de ces espèces. La diversité biologique joue-t-elle un rôle dans la médecine moderne Quand vous partez dans les pharmacies, vous prenez n'importe quel médicament. C'est des recherches qui ont abouti à ces médicaments. Et si vous allez à la racine, à la base, c'est peut-être des parties d'animaux, des feuilles de telle espèce qui ont été travaillées pour faire des comprimés, pour faire des gélules, etc. Donc que ce soit la santé au niveau des médecines traditionnelles ou bien au niveau de la médecine moderne, c'est toujours nos plantes, nos animaux, nos micro-organismes qui sont utilisés. Quel doit être le comportement de l'homme vis-à-vis de cette diversité d'espèces menacées de disparition Imaginez si la vitesse de disparition de diversité des espèces est multipliée par X, supérieure à, ne pas, 100 ou 1000. Donc, à un certain moment, ça fait nous allons avoir des difficultés même pour nous soigner, que ce soit au niveau de la médecine traditionnelle ou au niveau des pharmacies. Donc, nous avons intérêt à garder ces espèces pour que vraiment au point de vue médicinal, au moins pour la population qui pour le moment n'a même pas les moyens d'aller dans les pharmacies, en tout cas de se procurer de ces médicaments. Voilà, merci China. Alors, euh, à présent, nous, nous allons prendre une pause musique, Samira, pour retrouver cette fois-ci l'artiste Aziz Tony euh, qui nous chante ce titre T'as pas ton bébé. Eh, eh, mon bébé, eh, qui t'a dit que la place de la femme c'est la cuisine C'est pour ça tu la trompes avec sa voisine Et quand elle parle tu la badis Tu la prends, tu la frappes, l'utilises comme une machine Oui, le cancer, on ne tape pas son bébé on n'insulte pas son bébé, on ne va pas son bébé, on la touche, on la lave, on la cage. ba a taba 'yar mama ba a zagi 'yar baba ba a bugun 'yar mama zo nan zamna 'yar gata ka tuna zamanin da kake zuwa wajen fakaranta ka tuna lokacin da kake kiranta raburanta ka tuna alƙawalin da ka ɗauka mata don neman yarda ka tuna babanta ya baka ita da kari rike amana daɗin baji kai ne kira da kai ne haƙuri makai ne kafin ko ka zo ka aure ta daɗin baji kai ne kira da kai ne Makaine, Qui t'a dit que la place de la femme c'est la cuisine C'est pour ça tu la trompes avec sa voisine. Et quand elle parle, tu la badis. Tu la prends, tu la frappes, l'utilises comme une machine. on ne tape pas son bébé, on n'insulte pas son bébé. On ne pas bébé, on la on la on la cage. Oui, dans ce titre, T'as pas ton bébé, Aziz Tony aborde avec euh, force et sensibilité les fléaux euh, des violences conjugales en mêlant des paroles poignantes à une mélodie entraînante. Il dénonce euh, la brutalité infligée aux femmes par leur mari, une réalité trop souvent ce titre se distingue par son appel à la responsabilité et au respect, rappelant que l'amour et le foyer ne devraient jamais être synonymes de souffrance. L'artiste utilise sa voix pour élever la conscience collective et encourager un changement crucial dans les mentalités et les comportements. on ne tape son bébé on n'insulte pas son bébé. On ne va pas son bébé. On la touche, on la lave, on la cage. Ba ata ba er mama, à er baba. à er mama, zonan zamna er gata. Au finish, tu la vois traîner partout dans la rue, mariée, divorcée. Mais c'est à qui la faute, c'est celle de l'homme ou celle de la femme. La femme devrait connaître ses droits et ses devoirs conjugaux. Quant à vous, mes chers hommes, soyez pas gigolo. Quant à vous, les parents, éduquons nos enfants. On ne tape pas son bébé, on n'insulte pas son bébé. On ne va pas son bébé, on la déjà, oh, on la d'abord, on la gagné. Bah atta, bah bah Baha bugon er mama, zonan kong na er gabe C'était le titre Tape pas ton bébé de Aziz Tony. Chers auditeurs euh, de partout où vous nous recevez, j'espère que vous avez kiffé. Allons maintenant pour notre tour en région et nous allons en Maradi. Et oui, aujourd'hui, euh, nous allons parler d'une campagne de vaccination du chaptel euh, lancée la semaine dernière par les autorités du département de Dakoro. Alors, plus de 40 000 têtes d'animaux seront vaccinées selon le directeur départemental de l'élevage, Dr Issa Tazar. On l'écoute. a daidai wannan lokaci ne na saukar damana wanda ya daidai da zarga-zarga dabobi a cikin arewacin jihar da kwaro kan haka ne proje firsa ta kawo tallafin alluran rigakafi a cikin da'irar azagor malam isa tazar shugaban ma'aikatar kiwon lahiyar dabobi ta da kwaro mun yi wani taro wanda muka yi muka haɗu ɗan mata da wanda muka yi magana bisa kan cututtuka wa'annan cututtukan da suke matsa muku shine yanzu za a yi maganin su insha Allah za a yi rigakafi su tunda ai magana suka ce rigakafi yayi magani me yasa aka ɗauki garuruka wanda suke gindin vale don saboda ku kuke gamuwa da masu edo bisashe masu hitowa da kusum suna zuwa arewa bisashen ku sun yi cuduwa da bisashen su mai yawanci kuma kowa san da bisashe ne wanda suke zuwa da cututtuka da dama to saboda haka ne da aka ce ku da kuke mazauna ku da za a zo a tarda a muku rigakafi dan saboda ko sun zo da ciwon sai su wuce da kansu wannan cutukan ku ku zana su ma kuka ce akwai ciwon sihe ciwon sihe akwai na kananan bisashe akwai na shanu akwai maganin shi an kawo akwai ciwon zanzana shi ma akwai maganin shi an kawo akwai maganin bugau kuma duka kyauta ne wannan proje ya ce abin da muke so da ku a ba da himma a ba da goyon baya a yi wannan rigakafi tunda kowa san yanzu mana ta toho shigowa. Aziz Ma'azu shugaban wannan proje kirayi ga dukkan akasare makiyaya da cewa su laukar magani akan titi. Abin da muke so da ku gaskiya dangance da cututtuka wanda ya kamata da an ji abin da ba a gane ba ko ko an ga abin da ba a taba gani ba ga dabba a yi kiran likitan gauga. Faduwa ce ta zo daidai da zama a cewar Ahmed Mulu sarkin Azagor. Wannan kokarin da aka mina jama'a sun ji daɗin shi kwarai kwarai kuma abun ya zo daidai lokacin da ke bukata shiga rani ya zo aka zo da wanga kafe kuma daidai wannan rigakafi da kawo ko ina cikin fadin mu. an kawo mu dukiya abincin da za ta ci wanda za ta iya dauka wannan magani da yake ciyawa babu shi. Wasu maka da suka yi ma dabbobinsu allurai sun isar da godiyarsu da jin su kamar haka. ga allurai ya yi mun ji daɗi wallahi dama muna biɗa ta wallahi ruwa a jullo. A lahiyar dabbobi take a nan kayan wannan allurai. A zawo ya kaskashe mu a waje. ga bugawa yana kashe mu mutum haji ne abun da ya kashe mu mutum haji bara ya kai tumciya ɗari biyu. Duk da yake akwai cuɗanya sosai tsakanin dabbobin da ke hitowa daga ƙasashe makauta zuwa arewacin jihar Dakoro to a yanzu haka magabatan ma'aikatar kiwon lahiyar dabbobi sun durkusa wajen waye ma makiyaya kai da su guji cuɗanya ta musamman da dabbobin da su kaito da waɗansu ƙasashe da kuma su yi ƙoƙari su yi ma dukkan dabbobinsu alluran rigakafi domin su cirar da su daga waɗansu cututtuka da kan iya shahuwar su. Merci Adamu umaru depuis Dokoro pour ce reportage marquant une petite pause. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. À présent, la page sport euh, avec notre chroniqueur du jour. Il s'agit de Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Bonjour Mira. Alors Adam, débutons cette page sport avec un mot de la Super League qui tire vers la fin. Eh bien oui, hier nous avons donné les résultats de la 32e journée. Eh bien aujourd'hui nous vous ferons lecture du programme des 33e et 34e journées. Pour la, pour la journée du mardi 2 juillet 2024, 5 matchs sont programmés. Le Zumunta AC contre AS Police, toujours à Niamey, l'AS Nigélec contre le Liberté FC. À le Tagou reçoit le Sahel Sporting Club et à, Arlit, il y aura le derby de l'Aïr entre Akokana FC et l'Urana FC. À Zender, un grand choc pour le maintien entre l'Espoir FC et le Jongorzo de Maradi. Alors Adam, mercredi 3 juillet, trois rencontres au programme, euh, n'est-ce pas Eh bien oui, Fan reçoit l'Olympique FC, le JS Tawa reçoit l'Union sportive de la gendarmerie et le leader du championnat, AS Garde National, reçoit l'AS Douane pour le compte de la 34e et dernière journée qui se jouera du 8 au 10 juillet à Arlit, l'Urana FC reçoit le JS Tawa à Maradi, le Jongorzo reçoit la Kokana et pour finir à Niamey, l'AS Police reçoit l'Olympique FC, le Liberté contre l'AS Douane, la Renaissance Bukoti contre l'AS Gare Nationale le Sahel Sporting Club contre l'AS Nigelec, l'Union sportive de la gendarmerie reçoit le Tagour de Dosso et enfin, le Zumunta reçoit l'association des forces armées nigériennes, l'ISFAN. Merci Adam pour ce programme complet sur la Super League de football. Et pour terminer, la CAF a dévoilé la date de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et de la Coupe d'Afrique des Nations euh, féminines CAF 2024. Eh bien oui, Mira, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a fait l'annonce le vendredi 21 juin dernier pour la Cannes Maroc 2025. Le match d'ouverture est prévu le dimanche 21 décembre 2025 et la finale dimanche 18 janvier 2026. Le comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates pour la Coupe d'Afrique féminine CAF 2024 qui connaît depuis quelques années une croissance exponentielle et se déroulera également au Maroc du samedi 5 juillet au samedi 26 juillet 2025. C'est la fin de ce numéro sportif. À demain. Merci beaucoup Adam pour toutes ces informations. Chers auditeurs, il est 11h passé de 44 minutes. Si vous nous suivez, place maintenant au portrait du jour. Et dans cette rubrique, nous allons à la découverte de Issoufou Garba, relais communautaire dans le village de Dakarka dans le département de Kony. Et oui, ce père de famille d'une quarantaine d'années euh, qui depuis trois ans travaille volontairement au CSI de Massalata, euh, la commune qui coiffe son village. Il nous explique son métier au micro de Fanta Chamsou. complet ni ina daga cikin waɗanda suna sensibilization kuma suna prison and charge abin da ya shahi yara ƙanana daga wata biyu zuwa shekara biyar muna tarete masassarar cizon sabro da kuma majina da kuma zawo amma an ba mu formation akwai wasu alamomi idan mun gane su sai mu yi wuri su zuwa gidan likita CSE na nanga. mutanen gari na da an kai tsawon ga tsarin ya hito sai aka ce to kowane gari su zaɓi wanda sun ka yarda da shi kuma kowane akwai gungun mutanen da an ka bashi wanda zai kula da su kananan yara daga wata biyu zuwa shekara biyar abin da ya shafi wajen ba da magani ni rele communitar na na village dagarka amma karkashin CSE ta masalata mu shidda muke can namiji uku mace uku tun da an ka zo wajen zaɓen mu mm. aka ce to kowane unguwa su kawo wanda sun ka yarda da shi mm. haka na an kai zaben kowa ya san baki inda shi ka aiki amma bai hana yan ka zo baka iske wanda wajen ku ba sai ka tai wajen wani mm. wannan firi na ana zuwa wani waje ya kai shekara nawa yanzu da kuke na yi an kai shekara uku har da yan watanni insha Allah ya ne kuke yin sensibilization in ku sensibilization ita ma kala kala ce muna sensibilization mutane dangane da abin da shahi yanzu ke ga lokaci ana lokacin sanyi ake ciki mm-hmm. kenan ya kamata a kwatanta ma uwayen yara na su bari ma yara wanka da swahi mm-hmm. saboda wanka da swahi yana sa yara su yi majina ita kuma majinan nan matsala gare ta tana da mataki-mataki wanda ta zata kai yaro ga wata matsala babba insha Allah kamar cikin gwargwadon formation din da an ka bamu shi ya samu kamar ya zan kamar rigakahi wannan sensibilization a kiyaye ba a yi ma yara wanka cikin lokacin sanyi sannan in za a shara ba a aji yaro wajen da kura ga yi sannan in za a hasa wuta kamar ƙauye dole sai an kwaso wasu kara hakan ga an kimsa sai a kyatta wuta sai hayakin nan ba a son yaro shi shaƙe wannan hayakin da yana iya kama da eh, majina to kamar gida gida ne kuke ko tara mutane ne a'a ana yi gida gida kuma ana tara mutane eh, ai duk wani lugun da ya kamata a bi a kai wannan sako muna bin shi muna bi gida gida muna zuwa fada fada kuma in sun ka zaka nan likita wajen awon yara kuma muna musu idan har ya kama a tara mutane gangami ne kuke yi ko shila kuke bada a'a ba mu shila in dai mun ka zo mun ka iske taron mutane muna zuwa sai mu yi musu sensibilization in kuma ya shahi gida gida sai mu bi gida gida insha Allah to a takaice ko da yake waka dai a bakin mai ita ta daɗi eh. kowa ya sani amma wani amfani ne ku za ku iya cewa relay na yi ma al'umma lalle relay shi na da amfani mutane kuma sun tabbatar da lalle aikin namu shi na da amfani domin yaro na ka kai ole ka taho likita sai an ka ce maka ga inda za ka zuwa mutumin na an bashi farmacin wa shi yaron yaronka shi baka magani kuma kyauta ba tare ka hau ka buka buka taho ba kenan kaga ai su mutane sun san unwanin mu kuma mu ma mun san unwanin shi tunda ko da dai babu kuɗi kamar ba biya na ba an ci perjon na aka bamu ko to ai kana tunanin akwai lada wajen taimakon mutane wace irin matsala ce kuke fuskanta musamman wannan aikin na ku da ya shafi kana gida gida kun ga ku a matsayin ku na a mutane ba mu da matsala da su sosai insha Allah tunda da an gane mu ga alamun an san mu an san mu kenan an sa aikin da muka yi mutane suna ba mu haɗin kai wannan wannan wannan bangare insha Allah ba mu matsala kuma suna sauraren mu sosai a'a matsaloli ai sai dai ai hankuri kawai shi aiki an ce aiki na na sa kai kenan kaga ba biya gare ka ba duk aikin da muka yi ha ba biya na gare mu ba kenan aiki na wanda yake ai ba sai an ce kai hankuri ba kuma da jan an ce mutum bai da biya kai ka san hankuri na shi kai mutum da iyali ka san hankuri na shi kai Chers auditeurs, si vous venez de nous capter, nous sommes presque à la fin de notre émission après ce portrait signé Fanta Shamsou, mais ne vous inquiétez pas car vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiocalango.org. Passons sans plus tarder au loti. Oui, euh, <clears throat> nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fouillent dans les téléphones portables de leur conjoint. Certains maris le font également, mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé À ce sujet, écoutons Rakia Arimi et Samira Rouafi. ti sugu wo fira mon gaisi wal mu kan banu a gafirin da ayya dai mataran go mataran go he alisa ni ga sabu mu zaga yayi gore salam aran sigma he bogo nan ai sai duwanu ai wo hankan go ga lakal zaguwa ne <laughs> aman tokiyan ifa no nigo te da tirai wo nigo dai ga haifo yan hantum hantum la sabu ber koi no ni te bogo nan ma manti haifola sabunu hankai goce ci dai ta tayim kan baga ci sugo ai ma feri ga koddo kara a mangaise ni ma feri mata noni ni tay gaddir nyam ni gin kan basi siro ferin da a'a a man tay wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai si ga fahama sai no ba kai nufo a go fure sai fo yan kai sabai da hey alisa ni fu koyo kan basi siro hey alisa ifo no ni go gite da wallahi ni gite don dai bai din tera wufa? hey ni nakal kanan dai cora sunda ai gaba ne ga wasi ga feri ai ma ya za zaman tun jirbi irkoi mini fa ya dinga kal dai dinna feri di hankan gara he he he irkoi si lakal kanan da ni nigin da ci ganda ni musko ga tunan di jirbe si hini hmm, wallahi ate alwati kai na ago sai har yanga kan ai sabai da wasika hantum hantumya kalce yan bobo dini ce boda a gutu ne gano lai a si mun bai ma hankan agoci ai ga bai kan kutike kut is fose na goga hantum ka daidai bai mai no goce cika fugai wani farora he irkoi bere ni gwag bai hankara ni ba ni min bon ketumo wallahi amante wone sibori ni fu koyo simani kani he wone man hai kullu wadi no ainan kala jirbi ne koyi kakan bagasi go sambuka gona matukan ni goga tabinda ni la kultunu dimbai kan ago fakarai da wandifo aga tansiyon da diabetes yan kul dan niga daman ta yadin mono ni nin bon taban di yamu yamu kwai ne din fu koyo dinin ni bai kan askana sai ba kaina aranga makiyar dori ni na kan go aranga marasara hmm, chogo wallahi ni ga cim ni bai mu zaman tun kun go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu ago tegin kan baga su go feri halga ka samun gaisi <laughs> bante wai kuru hai kan man kwai amanto ni ga cin wallahi kimi fa to gune don da cara wasa yadin masine nigi don da haifa hmm, man ta don da kera no kero nin da wai barai kulu kan ga ingai fu koye kan basisirai feri wa bai kan no kan ga aran gwara sara na ne bisa hai kulu yadin no chogo ai sabu gumo da mantikan nika irkoi hinna no hankan ai koy wala hankan <laughs> don kalnim di gabdi fogo ga mo kara se no dini ai gidi hankar rani ga furo eh bogo nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga yayi sefa ha to walla chogo <laughs> Voilà, chers auditeurs, c'était le loti des femmes du studio Kalangou. Accueillons à présent Alassane Abdou pour la culture linguistique. Ce matin, il nous explique le mot diplomatie en zarma. Bonjour Alassane. Bonjour Alissani, bonjour Samira Rafi. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mots, euh, la diplomatie. comme vous le savez et comme on a eu à le dire, dans toutes les langues, on ne peut pas trouver deux fois une explication directe d'un mot. Et en Zarma, d'habitude, qu'est-ce que nous faisons Ou en Sorail, j'allais dire, parce que les Sorail, euh, excusez-moi les Zarma qui nous écoutent, les Sorail sont les chefs des Zarma. Donc en Sorail, euh, nous essayons d'expliquer le mot afin d'aider les autres à comprendre un peu ce qu'on veut dire. Donc euh, voilà. Hondee matkaa tirsee doneedaa eh, alaarba kulir kakar kangatii sanniiza fo sambuu kirgitoonaan boreedoo kii lakka lakyan kii faamandi harkanti sanniizoo waar kangatii irwan kiineedha. Matkan kiidaan wadde kiin boob yarraa dhuborko kumuu idaar gunaa nigdii kan dir sambuu aynee haasannoraa watu fan irsudu sanniizoo tak tak tak tak tak kaa feeriijoo kaldirmaa awwana kiidiraa kulu fassar boreesi kanga dukkana boree faham watu fadhu boree ni ci. nigma borar kango dukuna boren fam kula gina se kanse igine annasar kiniga yakin filana amma sanni yan gono kan ni samngai wura ni kudu larab sanni ni kudu ingilis sanni ni kudu ansar sanni bobiyan kan bore igi dangai wani kinera hunkuna sanni zo kinir no ansar sanni ga anga sanni gine diplomasi diplomasi matkan kida de bor yanga ki diplomasi ya amma iru zaram sanni ga diplomasi o di ka kini ma feri politik na rabo regi mara di ka te ir ministero kanga gode sanne kango ir labo da labo ana kinde gamra ikata amayo gumu boregi nge bon ha fotian amma tide kala sine hanna kedira labihin ka da kyar gamara hal borga ba markasine mu tabbatu labihin ka da kyar gamara markasine mu tabbatu kunda hinka da kirgamara marka sinem tabbatu haifo ba nin dina almiyar kirgamara no igine hannigin kedirate hannigin sannete hannigin te da kan himanda ni himanda nima diplomasi ngara diplomasi kati man manno ni gin cewodan manno ni gani kan gudu kan da yan gani gini musi ta muke bugu ya ga diplomasi mata da kala hansiyan fondo yan kan burga gani kan ka ta hansiyan hannu. har hinka da kyargamara am ko gete lakkal da bandira wo sabbu sino jirko ko mun dar ko guna irgine diplomasiyo no irgo gana kanga dukkanan mark sinay ma tabbat ko bori ir niger la bodo benen la boga mara ir niger la bodo chine niger la boda lab filan gamara igine mat fan har ka son diplomasiya kam ir sambuke da ngirgine kanga dukkanan yakin mutalabihin kare kyargamara wone gono ne mu babur kwara ni zai bumbu katiyan wadin fi fiye wasu hansi sino wor gurgsilanno ba boram hafotense dinijin borano igine mu wan diplomasi hanno kannigu to borado boradono yaniga mat kanni kedraniga teda disanno kanniga teda har hinkadi cargamara kanga dukunam tege bori wo sigine diplomasi va savala fama diplomatie bon alors, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer des mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication dans les cinq langues où nous diffusons ou en anglais sur le 82 89 89 64. Justement, écoutons quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sala ken sigani alfa kena fa fati zai e takzar labora ti jokol bu irgaran fondo ko karo da kan arani no dama iri midi bon fere karango kande wala nafu kango raje ga kan go kandirse lalle ni bay dine rajo bay de no ne ay kan bombore shi bai imbore fahamandi wala ay kan go nan moro ima ke mi kan lay ma tonen di bore do wala ay kan go ganda ganda ki go te yang ima tonen di bore do wala go fo kan fo go te ko te fo boram ka ma ki raja bun bore kul mu faham fa ka go kande wodin ni gi di gayan igogo go goyfoante kan ne haray boray sindi kwaray ngay mo irgo goyfoante ne haray kan ngay mo sindi kwarai akati ya furte jeno kalam ko albere no dina da raja bon ne hare bore gudu bere wadin irmo irgudu ibera zadi fa kalam ko itilberi gabarge ye kalam ko bani bon gyan hare gabarge ye kala dendi kambara yari ngani di i i isongo dangale ikulu igo cerbandena wato di minne bora one go goy fo fote kan bor fosi fahamda de mancini koy no wala mo hatta bi ne ma bor fomne nangu filani yani gogte nangu filani yani gogte wodi nga hinno bor gudu fahama amma songo kan ir koyte labara igo to bora ido ni di bora igo gudu fahamay iga baymad kan iga teda hino kalam to nan kan dabora ma aga ko gidi bumbo mat kan no go igo teda wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nakaas wasmin khisam gahmud kalangu da asna sadar gan hulle hulle kana kan kalangu radio at mosama sa karna sa sadar gan hulle radio da asma sa satar wa gafa wa nayti dan hulle nakna sa sa namar hulle fila asmirin gafa wa taguyati da Eh bien, c'est la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou de ce 26 juin. Nous espérons que vous avez apprécié le temps passé à notre compagnie. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a rendu possible cette émission et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À la présentation, c'était Samira Rouafi et moi-même Ali Moukela Hussein. L'édition était assurée par Adama Dawaki à la technique. C'était tout simplement Seni Isaka. N'oubliez pas de rester connecté pour euh, la suite de nos programmes à partir de 17h. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une excellente excellente journée à demain et je ne cesserai plus de vous le dire pour de nouvelles émotions radiophoniques. Bye bye